le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du le forum Chers euh, auditeurs, euh, bonsoir et merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangu. Je suis Michel Deji, très ravi de vous retrouver pour euh, la présentation de ce forum radio-télévisé de Studio Kalangu ayant pour thème la contribution des leaders religieux pour des élections apaisées au Niger. Comme vous le constatez, la campagne électorale pour le deuxième tour de l'élection présidentielle du 21 février 2021 au Niger est toujours en cours. Le souhait de toutes les populations nigériennes est que ce scrutin se passe dans la paix et la quiétude sociale. Au cours de ce forum, nous verrons dans un premier temps quelles sont les actions menées par les leaders religieux du Niger pour contribuer à la préservation de la paix et à la bonne organisation des scrutins déjà organisés. Avant de nous intéresser sur comment comptent-ils continuer leurs actions, afin que le deuxième tour de l'élection présidentielle du 21 février prochain se passe dans la paix. Pour répondre à ces questions, nous avons invité dans ce studio deux leaders religieux qui travaillent déjà ensemble dans une structure de promotion du dialogue religieux et de la paix. Il s'agit du CEDIR, le comité de dialogue intra- et interreligieux, dont le président national est Sheikh Braham Aboubakar, ici présent. Notre deuxième invité, c'est le révérend pasteur Barajé Gelgou. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu présent à cette euh, invitation du studio Kalangu. Merci. Avant de rentrer dans le vif euh, du sujet, Cheikh euh, Braham Aboubouka, dites-nous pourquoi vous avez décidé de créer le CEDIR, d'être ensemble et de travailler ensemble à travers le CEDIR, malgré vos différences religieuses et de points de vue en lien avec euh, la religion. Merci Michel et merci surtout au studio Kalango et à ses partenaires euh, diffuseurs. Le CEDIR, Comité de dialogue intra-interreligieux, est un comité national qui a vu le jour en 2017. Mais c'est seulement en 2019 que l'arrêté de création a été signé. Le CEDIR, comme son nom l'indique, est une association, un comité réunissant les différentes tendances religieuses, les différentes sensibilités religieuses, les différentes familles religieuses qui existent au Niger, pour dialoguer. Dialoguer, c'est un terme commun que les gens utilisent, mais disons pour fraterniser, pour construire la paix ensemble tout simplement, pour œuvrer à l'avènement d'un monde de paix et de prospérité et surtout de, de dialogue, pourquoi pas. Mm-hmm. Parce qu'on a constaté aussi que ce dialogue fait défaut très souvent, pas seulement au niveau des religieux, mais aussi parfois dans les familles, mais aussi parfois dans les familles politiques, parfois un peu partout dans les services. Le dialogue, c'est quelque chose qui est à cultiver. Surtout, on a vu avec les événements 2015, qui a vu vraiment la destruction de l'ensemble des églises, la quasi-totalité des églises et édifices religieux chrétiens. On a vu que euh, de deux côtés, les gens sont unanimes à reconnaître que c'était une question, un déficit de dialogue euh, qui avait abouti à tout cela et que c'était vraiment une incompréhension que mhm. personne ne comprenait d'ailleurs, euh, dont le personne ne comprenait les causes qui avaient abouti à ce drame. Donc, euh, mais le dire est enterré à tout cela. Le dire la création, bien l'idée d'un comité de dialogue remonte en 2002, où vraiment à l'époque déjà, on commençait à sentir euh, le problème de Boko Haram au niveau de, la région de Difa. Donc, euh, il y a une ONG qu'on appelle euh, Rêve. Euh, qui avait à, l'aide de qu'on appelle SOS Civisme d'abord, qui est une ONG nigérienne qui a travaillé dans le cadre d'un projet, d'un mm-hmm. programme qu'on appelle Rêve, euh, révaloriser, le vivre ensemble mm. en arabe, en abrégé, c'est ça qui donnait rêve. Ils ont eu l'idée de créer des comités de dialogue au niveau de DIFA, mm-hmm. qui était une région qui était vraiment sous tension à l'époque. Mais aussi, ils ont dit, mais les régions voisines aussi doivent être euh, concernées, parce qu'ils ont constaté que dans Difa, il n'y a aucune structure qui, euh, du moment que l'insurrection Boko Haram, comme ils disaient eux, avait une, connotation religieuse. Mm-hmm. Donc, les ONG qui travaillaient là-bas euh, surtout Rêve, ils ont constaté qu'il euh, n'y avait pas un cadre de dialogue hmm. qui réunit tous, ces, euh, tous les religieux de, de, la région, alors que Boko Haram soutenait que son insurrection avait une connotation religieuse. Donc il était nécessaire qu'il y ait un cadre de dialogue entre les, différents les différentes tendances religieuses. Donc c'est là que l'idée était partie. En même temps, ils ont aussi créé un autre, euh, euh dans les régions voisines des Indes et de Maradi. Mhm. Mais aussi, ils se sont dit, mais la capitale, c'est la capitale quand même, mhm. qui est le réceptacle de tout, le monde. Il faut aussi créer. Donc, c'est ça qui a fait qu'il y a eu la création de quatre CDIR régionaux mhm. qui, en 2017, ont été concrétisés par un CDIR euh, national euh, où vraiment l'ensemble l'ensemble des huit régions du Niger ont reçu une invitation officielle pour, venir à euh, compléter les quatre CEDIR et créer le CEDIR national qui, il faut, il faut le dire, hein, était venu à point nommé, dans la mesure où le Niger était, euh, c'est quand même l'un des pays concernés par ces, ces crises euh, terroristes, mais c'était l'un des seuls pays dans la sous-région qui n'a pas sa structure euh, nationale du dialogue interreligieux. Mm. Donc en créant cette structure euh, en 2017, vraiment le Niger a rejoint euh, les autres pays et, le Niger a même dépassé, mhm. puisque puisqu'on a vu avec euh, les différents témoignages de nos voisins qui venaient au Niger, mhm. ils trouvaient que le CEDIR a beaucoup avancé dans le dialogue. Le Donc voilà pourquoi. Avait même été cité un exemple lors des rencontres internationales, on se rappelle. Oui, plusieurs fois, mhm. plusieurs fois, euh, comme en, Allemagne euh, où le chef de l'État avait eu à, citer le CEDIR en, autre grande surprise, puisque le CEDIR est quand même apolitique, mais ça, ça nous a quand même euh, euh, aidé euh, à faire connaître l'ONG, puisque on parlait à l'époque de mesures que le Niger avait préconisées pour lutter contre le terrorisme. Donc les politiciens ont cité entre autres le CEDIR, qui, n'est pas une structure politique quand même, mais dont les actions ont permis vraiment à tout un chacun, ont été reconnues par l'ensemble des acteurs politiques aussi. Cheikh Baham, quand on parle de CEDIR, on parle du dialogue intra et inter religieux. Il s'agit de quelle religion ici Effectivement, donc euh, le Sédir, comme beaucoup de personnes le croient, euh, contrairement à ce que les gens pensent, n'est pas seulement une structure entre musulmans et chrétiens, non. Euh, c'est pourquoi on parle de comité de dialogue intra et mhm. interreligieux. Intra, c'est-à-dire que les musulmans entre eux, vous n'êtes pas sans savoir que les musulmans aussi ont entre eux. Beaucoup de tendances religieuses mm. euh, qui, qui, qui, qui, sont peu amènes, comme on dit. Mm. Euh, mais aussi, euh, il manque pas quelques bisbis aussi entre les, chrétiens parfois. Mm-hmm. Donc, c'est pourquoi il y a le mot intra qui mm-hmm. fait que le sédir est concerné par le dialogue en intra, en interne, au sein des religions. Mm-hmm. Avant d'exporter ce dialogue-là, et euh, en interreligieux. Mhm. C'est pourquoi on appelle CDIR, Comité de dialogue intra et interreligieux. Et Alhamdulillah, euh, Dieu merci, et sur tous ces plans, sur tous ces, dans tous ces domaines, on a constaté que vraiment euh, ce dialogue qui était parfois inexistant, euh, commence vraiment à, à s'enraciner, à, apporter mhm. même des fruits. Cheikh Merci pour euh, cet éclairage par rapport euh, au CEDIR. Nous avons également un autre membre euh, de ce CEDIR. Il s'agit du révérend Baragé Jelgou. Mm-hmm. Révérend, pourquoi est-il important de faire le renforcement de cette coexistence pacifique entre toutes les religions au Niger Merci infiniment pour cette question si importante. Mm-hmm. Euh, qui va droit dans le cœur même de la religion chrétienne. Mm. Euh, c'est Dieu qui nous a créés. Et dans tout ce que nous lisons dans la Bible, nous voyons toujours l'unité, la paix, l'amour. Donc, euh, quand donc, le Cédir a été créé, mm. nous voyons en cela, en tout cas, quelque chose qui répond à ce que la Bible attend de tout un chacun. Mm. Raison pour laquelle, dès que euh, cette création a été proposée, donc nous, nous avons dit, nous avons applaudi par rapport à cela et nous avons dit, on va œuvrer de toute notre force euh, pour que, en tout cas, ce que nous visons puisse se réaliser au Niger et même au-delà du Niger. Mhm. Voilà ce que je peux dire par rapport euh, au CDI. Je crois que c'est de la volonté de Dieu mhm. que les êtres humains qui sont créés différents avec euh, chacun son milieu, avec chacun sa sensibilité, mais Dieu voudrait en tout cas qu'il y ait l'unité, mm. l'unité, donc euh, et que nous puissions vivre en paix ensemble. Mm-hmm. C'est ça la volonté de Dieu. Merci donc euh, pour ces différents éléments de réponse que vous apportez par rapport à, ce que vous faites au niveau du CEDIR, qui est le comité de dialogue intra- et interreligieux au Niger, dire Niger. Parlons à présent de vos activités de promotion de la paix dans le cadre des élections locales du 13 décembre 2020 et de l'élection présidentielle premier tour couplée aux législatives du 27 décembre 2020 au Niger. Que dit d'abord euh, l'islam, Sheikh Barham Aboubakar, sur la question de la paix de façon générale et comment la promouvoir en période électorale et l'islam est très clair concernant la vie en société, puisque lorsque l'islam était apparu en Arabie, il y avait une société qu'on appelle la Jahiliya. Mm-hmm. C'était une société païenne mm-hmm. euh, où les Arabes euh, vivaient une vie euh, qui, est presque une vie, euh, j'allais dire, sauvage, mm. dans la mesure où euh, il y avait des sacrifices humains qui, qui n'étaient même pas des sacrifices, puisque on enterrait vivant les petites filles qui naissaient. Mm-hmm. On ne les enterrait pas pour faire des sacrifices. Donc, on, on les enterrait pourquoi Tout simplement parce que eux, ils pensaient que le fait de, donner naissance à une fille allait attirer des, une malédiction à la, famille ou à la société. Mhm. Ça veut dire pas de dignité. Voilà, en termes de vie même, de, valeur même. Ah, mhm. euh, euh, euh, même si elle n'est pas classée dans les, parmi les animaux, en tout cas, elles ne sont pas classées parmi les hommes. Mhm. Donc, oh, oh, l'islam était venu dire non, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Vous êtes tous d'un père et d'une mère euh, commun, que sont Adam et Ève. Et l'islam a dit, il n'y a pas de différence entre les races. Le noir comme le blanc, l'arabe comme l'africain, tous sont égaux devant Dieu. Le plus pieux, le meilleur d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Donc, la question de la piété là. Donc, l'islam a dit comme ce que la Bible a déjà dit. Mhm. Ne tue pas. Ne, commets pas d'injustice. Ne fornique pas. Ne, confisque pas les biens des autres. Ne fais pas de calomnie, etc. Tout ce qui est mauvais. Pourquoi mhm. Pour tout ce qui est mauvais, l'islam avait décrété de les interdire. N'adore qu'un seul Dieu. La nouvelle société ne peut pas mhm. émerger dans un monde marqué par tant d'injustice, tant d'ignorance, tant de, de, de, paganisme. Mhm. Donc, euh, euh, à l'époque, les Arabes, euh, il y a des Arabes même qui, qui faisaient le tour autour de la Kaaba presque nus, en criant à toute tête et dans le sens inverse, etc. Il y avait des pratiques diaboliques. C'était la religion d'Abraham quand même, que les gens, avec le temps, ont fini par détourner pour la plonger dans le paganisme. Mhm. Donc, quand l'islam est venu, l'islam a assaini tout ça. N'oubliez pas le voyage mémorable du, prophète Mohammed lorsqu'il a, il a nettoyé la Kaaba. Il y avait quand même euh, plus de 313 divinités dans et autour de la Kaaba et même sur le toit de la Kaaba. Il y avait plein de divinités païennes que le prophète avait nettoyé tout ça là. Donc vraiment, l'islam était venu pour nettoyer la société, pour créer un monde de paix, un monde de fraternité, au-delà de la confession religieuse. L'islam nous dit que toi, tu es un prophète. Le, Coran dit, tu es un messager de miséricorde. Dieu t'a envoyé, ô toi messager, pour que tu sois une miséricorde pour tous les terriens, pas pour mm. les musulmans, pour tous les terriens. Les terriens, ça veut dire les habitants. de la terre. L'ensemble des habitants de la terre. Donc, euh, c'est ça qu'on appelle euh, alamine, c'est-à-dire mm. tous ceux qui vivent sur cette terre. Mm. Donc, l'islam on considère que le prophète est venu pour faire régner la paix pour tout le monde. La paix, c'était fondamental pour que l'islam puisse euh, prospérer. C'est pourquoi le prophète a été obligé, souvent même parfois, euh, contre l'avis de, ses compagnons qui finissent par euh, lui donner raison. Ah, il était contraint parfois de signer des contrats qui, n'étaient pas parfois toujours à l'avantage des musulmans. Pourquoi Pour qu'il y ait la paix. Mm-hmm. Le prophète considérait que dans un climat fait de conflits, permanents, euh, qui n'ont pas de sens, euh, l'islam ne pouvait pas émerger. Les esprits ont besoin de calme, de paix, pour se concentrer sur Dieu, sur le Créateur et sur ses messages. Une fois, le prophète a même été obligé de creuser un canal autour de la ville de Médine pour pouvoir se protéger, parce que les tribus se sont réunies pour les assiéger là-bas pendant des jours et des jours. Donc, vraiment, toutes ces guerres étaient des guerres défensives, pas des guerres offensives. Donc, on a vu aussi le messager d'Allah euh, sympathiser et même euh, euh, lier nouer des, amitiés avec les chrétiens de Najran, une mhm. ville voisine de Médine, où les chrétiens venaient rendre visite régulièrement aux messagers d'Allah. le juif aussi, il a signé des contrats avec eux pour vivre en paix. Donc la paix, là, on en a besoin. que ce soit en période électorale ou pas, mhm. à tout moment, c'est quelque chose dont toute l'humanité a besoin. Quelle que, serait l'issue de ces élections-là, on aura toujours besoin de la paix. Mhm. Merci beaucoup pour cet éclairage euh, de Sheikh abraham qui a expliqué que l'islam euh, est apparu avec la promotion de la paix de la naissance euh, du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, vers 571 jusqu'en 632, qui est l'année de son décès. Et y compris pendant son séjour à Médine, qui date de l'année 622, qui est l'année de l'Égypte. Merci à vous, Cheikh Abraham Aboubouka. Et, pasteur euh, Barazé, Que faut-il faire pour que véritablement nous puissions réussir euh, cette euh, promotion de la paix en cette période d'élection au Niger Merci pour cette question qui est tellement importante. Et je peux dire pour le christianisme, la Bible nous dit que Dieu a béni Adam et Ève. Il leur a dit, allez remplissez la terre. Donc la famille. Donc déjà, dans la famille, nous voyons la volonté de Dieu se concrétiser, c'est-à-dire l'unité. C'est-à-dire euh, que vous comprenez par là que toute l'humanité est constituée d'une même famille, d'une même famille, descendant d'Adam et, d'Ève. Jésus, quand il est venu, c'est ainsi, dans ses prédications, il a toujours prôné pour l'unité. Mm. Et c'est ainsi qu'il a dit, pardonnez à ceux qui vous font le mal. Donc, bénissez, ne maudissez pas. Donc, tout l'enseignement, en tout cas de Jésus, quand, on le voit, c'était pour la paix, mm. c'était pour l'unité, c'était pour le retour à Dieu c'était pour le bien de tout un chacun. Voilà ce que je peux dire euh, par rapport à cette idée de paix. Elle vient de Dieu, elle est même du cœur de Dieu. Et tous les autres qui sont venus, tous les prophètes qui sont venus, y compris les gens qui prêchent à notre temps actuel, en tout cas, s'ils sont de Dieu, leur prêche va tendre toujours vers revenir à Dieu pour avoir la paix, pour l'unité et aussi pour les bénédictions de Dieu. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Et quel rôle doivent jouer les leaders religieux en tant que leaders d'opinion dans le cadre de la promotion d'élections pacifiques euh, au Niger, révérend pasteur Ils ont un grand rôle à jouer, dans ce sens que, d'abord, un, ils doivent prier. Hmm. Notre force se trouve dans la prière. Ils doivent prier pour que Dieu euh, euh, convainc les gens, que Dieu travaille dans des cœurs nous savons qu'il y a l'ennemi de Dieu qui est là pour amener des contradictions, pour amener des confusions, pour amener des problèmes. Donc les serviteurs de Dieu doivent prier pour que Dieu d'abord dévance, n'est-ce pas, les gens dans le cœur des gens. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, eux-mêmes, en tant que leaders religieux, ils doivent donner un bon exemple. Ah, tu ne peux pas me dire que tu vas me donner une chemise alors que tu as une chemise déchirée. Alors, euh, donc, euh, eux-mêmes, ils ont une responsabilité. Ils vont répondre devant Dieu avant même de répondre devant les hommes. Hmm. Donc, les leaders religieux, nous savons que, <laughs> surtout quand il s'agit de la religion, euh, ça touche l'être humain lui-même. Hmm. Ça dépasse les lois, si vous voulez, parce que <laughs> on dit ne touche pas à la religion si tu veux la paix. Donc, euh, nous savons s'il y a vrai que les citoyens sont beaucoup plus sensibles à la question religieuse. Donc, euh, ils craignent Dieu. Que même hein. lorsqu'on leur parle de la loi. Voilà, ça mhm. a eu lieu même au temps de Jésus. Donc, juste après sa mort, on a empêché ses disciples de prêcher et de parler au nom de Jésus. Et ils, ont répondu aux autorités qui étaient là. Mhm. Vous-même, réfléchissez et voyez s'il serait bon pour vous qu'on obéisse à vous au lieu d'obéir à Dieu. Donc ils ont dit, nous, nous ne pouvons pas nous taire, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu, nous avons entendu, nous avons vécu. Pour nous, mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que la volonté de Dieu, ce n'était pas vraiment pour le mal, ce n'était pas pour, euh, en tout cas, amener la division. Euh, la volonté de Dieu, c'est pour créer un avenir meilleur. C'est pour, en tout cas, le bien de l'être humain. Voilà pourquoi donc euh, les religieux ont un rôle très très important à jouer euh, dans ce moment pour attirer l'attention des gens, pour euh, pousser les gens à regarder plutôt à Dieu que de regarder aux autres choses secondaires. Parce que nous allons rendre compte de nos paroles, de nos actions, même de nos pensées. Nous allons rendre compte de cela devant Dieu. Mmh. Nous sommes, comme on le dit, des étrangers, voyageurs sur la terre mais un jour nous allons retourner à Dieu. Et en ce moment, Dieu va demander à tout un chacun, n'est-ce pas, le compte de comment il a géré sa vie, de comment il a géré ses paroles, de comment il a géré ses pensées. Donc c'est pourquoi le rôle des religieux est important. Et les religieux doivent s'y mettre. Prier, parler, conseiller et aussi exhorter les gens à choisir la voie de la vérité, la voie de la paix, tout ce qui peut apporter en tout cas la paix. Merci, on vous a bien compris. Les leaders religieux ont une lourde responsabilité, celle de faire la promotion de la paix. Et ils doivent prier, vous avez dit, mais également se mettre en action afin d'appeler tout le monde à cette paix. Vous convenez, Sheikh Abraham Aboubouka Oui, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec euh, Révérend Barajé. Mhm. du point de vue de l'islam, on est convaincu que le pouvoir euh, est donné par Dieu. Mhm. C'est lui, Allah, qui donne le pouvoir à qui il veut. Mhm. Donc les religieux convaincus de cela, ils, doivent éviter de prendre parti. Mhm. Quand même, c'est des citoyens, ils sont concernés par ce qui se passe. Souvent, ils sont obligés de sortir pour dire, euh, pour parler, pour calmer, pour orienter les gens. Mais les religieux ont, pour bien jouer leur rôle, ont l'obligation morale de rester neutre tant qu'ils peuvent le faire, dans la mesure où le pouvoir, dans la mesure où ils peuvent tomber dans l'erreur mhm. en, en voulant peser d'un côté ou de l'autre, alors qu'ils savent que c'est Dieu qui donne. Mhm. Donc tout ce que les religieux peuvent faire, c'est ce que Braja a dit, c'est de prier, c'est de s'en remettre à Dieu, mhm. mais tout en vraiment veillant à ce que euh, la société ne tombe pas euh, dans des erreurs, dans des errements vraiment aux conséquences incalculables. Euh, lorsque le mal est en train de se faire, est-ce que vous êtes vraiment convaincu que il a, les gens développent certains comportements Le messager d'Allah nous a dit quoi, faire. Il nous a dit euh, Lorsque vous voyez le mal en train de s'installer, faites tout si vous en avez la possibilité. Là, le messager nous invite à la réflexion, vraiment à travailler toujours avec mesure, travailler toujours avec réflexion. Donc, euh, d'agir, euh, si c'est possible, pour, euh, pour instaurer la paix. Au cas où il ne sera pas possible d'agir, il dit parler. Il a mis à c'est-à-dire parler. Si vous ne pouvez pas parler l'action concrète, travaillez avec la langue, c'est-à-dire parler, faites des prêches, faites des annonces, Faites des communications appelant les gens à la paix. Et si vous ne pouvez pas, Dieu, le messager d'Allah a dit en troisième position, si même parler là, te parler difficile, il dit prier. Mm-hmm. Donc, prier. Donc, vraiment, l'islam nous n'interdit pas complètement aux, gens d'agir, euh, mais il les dit de faire avec calcul, mm-hmm. de le faire vraiment avec euh, dans la réflexion, mais aussi euh, au cas où tout cela ne serait pas possible, euh, d'utiliser la langue, de parler, de parler, de prêcher, de, de, sensibiliser, etc. Donc moi, je pense que dans ces trois domaines, les, les religieux ont un rôle euh, étendu, ont un rôle à faire, puisque ce sont des citoyens, ce qui se passe les, les concerne. Mhm. N'oubliez pas que le monde le plus mobilisateur, c'est le monde de la religion. Bien sûr euh, ils mobilisent plus que la politique. Mhm. Parce que tout ce que ceux qui font de la politique sont, quelque part euh, liés à une religion. Mhm. Et, tous ceux qui ne font pas la politique aussi sont quelque part liés à une religion. Mhm. Donc vraiment, le monde qui mobilise le mieux quotidiennement, c'est le monde de la religion. Donc ce qui se passe vraiment concerne aussi le devenir de la société, le devenir de tous ces citoyens, de tout ce monde qui croit aux religions, concerne aussi le, les religieux, dans la mesure où les religieux, ce sont des bergers. Mhm. Ce sont eux les bergers de la société. C'est eux qui orientent la société. C'est eux qui orientent la société. Et ils ont la lourde mission de faire en sorte que vraiment la société arrive à bon port. Mhm. Le messager d'Allah dit, vous êtes tous des bergers. Vous êtes tous des bergers et vous serez questionnés le jour J sur votre mission là, qui mm-hmm. consiste vraiment à guider les gens, mm-hmm. qui consiste vraiment, si c'est dans une famille et que vous avez la responsabilité de cette personne, vous serez questionné comme l'avait dit euh, mm-hmm. vous serez questionné c'est votre responsabilité, c'est votre mission envers cette personne-là. Si c'est un service, si c'est une école, si c'est une mosquée, une église, si c'est un, pouvoir, quel qu'il soit, traditionnel, moderne, en tout cas, lorsque vous, avez vous êtes confié une responsabilité, Dieu va vous questionner sur cette responsabilité. Appelez forte raison. Si c'est des élections, vous qui avez la responsabilité de mener ces élections, Dieu vous regarde, la société vous regarde. Mhm. Faites vraiment honorer les textes que l'État a, a, que la, notion, la nation a mhm. mis en place. Respectez les lois, respectez les citoyens, respectez euh, l'être humain. Puisque même mille ans après, si l'action que vous, vous posez aujourd'hui arrive mille ans après à tuer quelqu'un, Dieu va considérer comme si vous, par votre action, vous avez tué toute l'humanité. Mhm. Quiconque tue une seule personne, c'est comme si cette personne a tué toute, l'humanité. Si vous le faites aujourd'hui et que mille ans après, cette mhm. action finit par tuer quelqu'un, sache que vraiment tu, seras, tu auras sur ton ardoise la mort de toute l'humanité. Ça veut dire qu'il faut être euh, à l'abri des carnages, il faut éviter d'agir pour inciter les gens à de tels comportements. Mais qu'avez-vous fait concrètement, Chèque, euh, pour qu'il y ait des élections apaisées, notamment en ce qui concerne les scrutins déjà organisés Ce que nous faisons, c'est que chacun dans son église et dans sa mosquée mhm. euh, prêche déjà. on continue à prêcher. mais aussi au niveau du sédir, on a, on, est, on a fait un certain nombre d'actions de, sensibilisation, mm-hmm. mais aussi il y en a d'autres qui sont en cours, comme par exemple euh, une journée de réflexion mm-hmm. euh, qu'on est en train de préparer au niveau national, mm-hmm. euh, qui va avoir lieu, Inch'Allah, avant les élections, où vraiment les leaders religieux de huit régions seront à Niamey, musulmans, chrétiens, et toutes les tendances hein, pour vraiment réfléchir sur la paix et puis faire sortir de communiqués euh, utiles, mm. euh, importants pour toute la nation. Révérend Baragé, oui. Euh, ah, quel bilan faites-vous des élections qui se sont déjà déroulées Bon, j'ai voulu amener un petit ajout mm-hmm. par rapport à ce qui a quelques secondes. D'accord. Mm-hmm. Jésus nous a dit de vivre en paix avec tout le monde, autant que cela dépend de nous. Mm-hmm. Donc c'est un ordre qu'on nous a donné en tant que chrétiens. Ensuite, euh, nous avons parlé. Qu'est-ce qu'on a fait Vous avez posé la question. Qu'est-ce qu'on a fait mm-hmm. ben, On a parlé, on a prêché. Et vous savez, le monde a été créé à partir de la parole. Dieu a parlé et la chose a existé. Mm-hmm. Et nous savons, en tout cas, quand Jésus était sur la terre, quand il dit quelque chose, la chose se réalise. Même au niveau des miracles, c'est à partir de la parole qu'il prononce. Donc, nous croyons à la puissance de la parole quand on prêche, quand surtout ces paroles-là sortent de la bouche des gens qui craignent Dieu. Mhm. C'est pourquoi donc pour nous, en tant que chrétiens, un, quand nous prions Dieu, écoute. Deux, quand on parle, nous croyons que la parole va faire son effet. Mhm. Bon, maintenant par rapport à qu'est-ce que nous avons fait euh, par rapport aux élections passées, n'est-ce pas mhm. Bon, moi, je n'étais pas au Niger, mais j'ai suivi cela euh, de loin. Néanmoins, mon esprit était au Niger autres pasteurs qui étaient là chaque dimanche que Dieu fait. En tout cas, dans notre église, euh, surtout là où euh, je suis responsable, nous avons un temps que nous réservons pour prier. Prier pour la paix, prier pour les élections, que Dieu lui-même nous choisisse l'homme ou les hommes et les femmes qu'il a décidé de mettre au-dessus donc de la population. Cheikh Baham a expliqué que c'est Dieu qui choisit, ça veut dire que Dieu connaît déjà celui qui va être le président. Est-ce que vous partagez ce point de vue Ah Oui, Dieu connaît déjà. Mhm. Euh, quoique il y a une parole qui disait, des fois Dieu choisit aux gens l'homme et les femmes par rapport à leur caractère. <laughs> des fois, c'est pour les corriger, des fois aussi, c'est pour... Mais nous, nous supplions Dieu qu'il nous choisisse des gens, des hommes et des femmes qui vont prôner pour la paix, conduire le peuple dans la voie de la paix, surtout dans la voie de la crainte de Dieu, parce que nous savons que le commencement de la sagesse, le commencement des bénédictions se trouve dans la voie de Dieu. Donc, heureux le peuple qui a un dirigeant qui craint Dieu et qui, en tout cas, agit selon la crainte de Dieu. Merci donc à vous révérend pasteur euh, Baragé Gelgou. Nous entamons à présent la deuxième partie de ce forum pour parler des préparatifs de cette élection présidentielle du 21 février 2021. Quels sont les messages que vous continuez à véhiculer à cette période de campagne dans le cadre de cet important scrutin Cheikh Abraham euh, euh, Aboubakar, président du CEDIR. Effectivement, le message le plus important que nous, en tant que religieux, nous avons euh, adressé à la nation tout entière, mhm. euh, que vous soyez simple électeur ou que vous soyez candidat mhm. ou organisateur d'élection, vraiment, ce message vous concerne au plus haut degré. Mhm. C'est la crainte de Dieu. Craignez Dieu, le craignez Dieu. Nous sommes ici sur Terre que pour un passage, un temps très court qui, dans le temps cosmique, toute la vie de la Terre même ne représente rien du tout. À plus forte raison, la vie des créatures que nous sommes. Mhm. Donc, euh, craignez Dieu, car Dieu, il est là, il est éternel, lui, son pouvoir ne vacillera jamais, et, nous rendrons tous compte devant lui. Mhm. Respectez vos serments, respectez vos citoyens, respectez les loi que tu, sois opposant ou au pouvoir, respectez ces loi c'est ça notre bonheur à tous. C'est ça qui va euh, conduire notre nation à la paix. Quel appel lancez-vous alors à l'endroit des leaders euh, politiques en cette veille d'élection, euh, c'est-à-dire de la présidentielle deuxième tour D'abord, l'appel que je lance aux politiciens est qu'ils sont tous soit musulmans, soit chrétiens quelque part, mhm. et, et que du point de vue de l'islam, le pouvoir n'a aucun sens s'il n'est là que pour servir la nation, mhm. que pour œuvrer au bonheur de la nation, au bonheur du peuple. Le pouvoir n'aura pas de sens si il aura pour but vraiment de conduire à la haine, de conduire à la, désunion. Donc, euh, celui qui va chercher le pouvoir, qu'il garde ça en tête, mhm. que, le jour où il gagnera le pouvoir, sa mission principale sera vraiment d'œuvrer au bonheur de la nation, à l'unité de la nation, et vraiment à l'unité de ses concitoyens, et au bonheur et au développement tout simplement. Mhm. Révérend pasteur Barajé quel est à votre niveau votre appel à l'endroit de tous ces électeurs qui vont à nouveau se rendre aux urnes pour choisir euh, le futur président de la République euh, le dimanche 21 février prochain mon appel euh, ne dépassera pas tellement l'appel que le chèque a lancé. Craignez Dieu. Tout ce que vous allez faire, faites-le tout en considérant que Dieu, il vous regarde, il vous comprend. Donc, euh, choisissez, en tout cas, la personne que Dieu vous a mis à cœur de choisir. Donc, faites-le dans la crainte de Dieu. C'est ça que moi je lance comme appel. Et ensuite, maintenant, par rapport aux politiciens, ben, écoutez qu'ils acceptent hein, le verdict que Dieu a, tracé, c'est-à-dire mhm. après les élections, qu'ils acceptent et parce que de toutes les façons, c'est une seule personne qui va qui va régner, c'est pas tout le monde. Mhm. Donc qu'ils acceptent cela et surtout et surtout qu'ils prient pour celui qui sera choisi afin que Dieu soit avec lui, mm-hmm. afin que Dieu soit son conseiller, afin que Dieu soit sa boussole dans tout ce qu'il fera, n'est-ce pas, pour le bien du peuple nigérien, pour le bien de tout un chacun. Voilà ce que je peux dire. Votre message à l'endroit de ceux qui sont chargés de l'organisation de ces élections également Qu'ils craignent Dieu. Qu'ils craignent Dieu. Tout ce qu'ils vont faire, qu'ils sachent que Dieu les regarde et qu'ils vont rendre compte. Bon, peut-être euh, ils vont penser que c'est seulement ici ben Non, ils ne vont pas rendre compte à l'homme seulement, hein. qu'ils vont rendre compte à Dieu. Et si c'est fait de la crainte de Dieu, alors en ce moment, ils sont quittes. Mhm. Et Dieu va les bénir par rapport à ce qu'ils vont faire. Voilà ce que j'ai à dire. avez-vous un mot à dire par rapport Oui, par rapport aux électeurs. Moi, euh, Barajé a, parlé de, l'électeur. Euh, l'électeur, lorsqu'il se trouve dans l'isoloir, il est là face à lui-même, il est là avec Dieu. Il n'est là qu'avec Dieu, C'est cela le secret du vote. Voilà. Donc, euh, c'est très important d'être d'être au moment décisif, d'être avec Dieu. ce C'est pas le moment où tu vas. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là Dis à Dieu, Dieu, j'ai choisi un tel, mais moi je suis qu'un être humain, je peux me tromper. Mhm. Mais celui-là que j'ai choisi, faites en sorte qu'il soit le bon Mm. pour ce pays, mm. pour que soit quelqu'un de juste. Mm. Empêche-les à commettre un péché. Faites en sorte qu'il soit quelqu'un de bien pour le peuple. Euh, guide ses pas, etc. C'est le moment de prier pour lui, puisque nous, nous sommes des humains. On peut faire. Euh, c'est Dieu qui sait qui est bon et qui ne l'est pas. C'est Dieu qui donne le pouvoir. nous, tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment de confier cet acte-là à Dieu mm-hmm. en dernier ressort. En cas de cas, vraiment, au moins, on n'est pas sorti de notre rôle qui consiste à ne pas oublier Dieu. Mais si avec on oublie Dieu dans tout ce qu'on fait, même dans le choix, ça c'est de l'arrogance mhm. que Dieu finira par punir d'une manière ou d'une autre. Donc il faut que vraiment les électeurs aient à l'esprit que dans l'isoloir, ils ne seront pas face à un bulletin seulement, mais ils seront face à Dieu et face à leur conscience. C'est vrai, le révérend pasteur Paragé euh, Gelgou l'a dit aussi, quand il y a élection, il y a forcément un ou des gagnants et des perdants. Quel conseil particulier avez-vous alors à donner à chacune de ces deux parties, Cheikh Abraham Aboubouka D'abord, euh, il y aura un perdant et un gagnant. Je crois que c'est ça même le but recherché. Mhm. mais en réalité, il n'y a pas de perdant euh, dans le sens commun du terme. Mhm. Car euh, celui qui est entre guillemets perdant aussi sera là pour jouer un rôle positif, mhm. pour, pour euh, équilibrer les, décisions ou bien les erreurs euh, que celui qui, aura le pouvoir aura à commettre. Il sera donc, dans l'œuvre de construction nationale. Là aussi, il doit vraiment le faire euh, avec la crainte de Dieu. Mm-hmm. Il doit le faire vraiment en toute conscience mm-hmm. euh, pour qu'il n'aura pas à, répondre devant Dieu mm-hmm. de, de, de, de, chose qu'il a fait, au lieu de guider, et peut-être qu'il ne l'a pas fait. Donc, Quant à celui qui aura le pouvoir, lui, sa mission sera encore plus lourde. Mhm. Il aura vraiment euh, la mission euh, de, gérer une nation. C'est une partie des attributs de Dieu qu'on lui donne. Mhm. Donc, quand Dieu ampute une partie, parce que le pouvoir, c'est quand même le domaine sacré de Dieu, mhm. quand il ampute une partie pour te donner, vraiment, dis-toi que tu es dans l'œil de Dieu. Chaque acte que tu poses, Omar ibn Khattab, il était le commandeur des croyants. Mhm. Il était l'équivalent du chef de l'État, des chefs d'État. Mais quand il dormait la nuit, il se réveillait en sursaut tout en sueur. On lui dit, mais, Amir al-Mouminin, Seigneur, euh, commandeur des croyants, qu'est-ce qui ne va pas Il dit, je me suis réveillé en pensant que quelque part, parce que je n'ai pas fait de couloir de passage mm. dans, une, dans des terres lointaines, les animaux sont en train de divaguer pour aller euh, casser les, barrières de clôture des jardins des autres. Parce que pour lui, sa mission, c'est de, faire en sorte que il y ait justice, il y ait paix. Donc euh, le responsable politique, c'est quelqu'un qui doit travailler toujours pour qu'il y ait harmonie, pour qu'il y ait euh, paix. Mhm. Mais les citoyens aussi ont une responsabilité. Priez pour celui-là. Mhm. Si vous continuez à le maudire, il va tomber comme euh, dans le camp de Satan et il va commettre que des actes sataniques. Donc priez pour lui pour que Dieu le corrige, pour que Dieu lui montre la voie. Mhm. Et Dieu est capable de tout pour rappel, euh, traditionnellement, le président de la République, ce n'est pas dans la Constitution, bien sûr. On a mhm. l'habitude de l'appeler justement le père de la nation. Oui. Mhm. Oui, justement, c'est une responsabilité. Le messager d'Allah disait que il n'y a pas une seule personne qui aura sous sa responsabilité dix personnes et qui passe impunément et qui passe tranquillement, qui franchira tranquillement le portail du, paradis. Mhm. Ça veut dire quoi Dix personnes avec 10 personnes, le messager d'Allah nous a déjà prévenu que celui qui a eu à diriger, 10 personnes ne va pas partir comme ça. Il va faire face à des questions. Il doit répondre s'il a vraiment honoré sa mission. Mhm. Est-ce que tous ces gens-là étaient d'accord avec lui Donc, euh, prions pour, pour nos dirigeants, quels qu'ils soient pour que Dieu les arrange. C'est lui Dieu seul qui peut le corriger. Mhm. Merci beaucoup. Révérend pasteur oui, euh, Baragé, oui, euh, oui. un mot par rapport, euh, c'est vrai, à entendre Cheikh Braham parler. On comprend bien que le grand vainqueur ici, c'est le Niger naturellement. Exactement. Quel que soit le président qui sera élu, voilà. il souhaite à ce que les citoyens prient pour leur président afin qu'ils puisse remplir euh, sa mission de façon honorable. Un mot par rapport à ça, oui, à l'endroit des deux camps Effectivement, euh, surtout à celui qui sera vainqueur. Mhm. Il n'a qu'à prendre l'attitude euh, de Joseph dans la Bible. Ses frères l'ont vendu. Il est parti, il a fait l'esclavage. Et Dieu l'a placé, il est devenu le gouverneur. Ça veut dire promouvoir le pardon Voilà. Et finalement, quand ses frères l'ont retrouvé, mhm. il, était en pouvoir de pouvoir les détruire, de les mettre en prison, de les tuer. On vous a bien compris. Mais il leur a dit, finalement, il leur a dit, mhm. écoutez, ce n'est pas vous qui avez. Moi, je considère la situation que c'est Dieu qui a préparé toutes ces choses-là pour que je vienne en aide à chacun de mhm. vous, pour que vous viviez, pour qu'il y ait en tout cas la vie. Dieu a vu de loin ce qui va se passer. Donc tout ce que vous avez fait, ça, moi je ne considère pas ça comme, mhm. je ne vous considère pas comme mes ennemis. Mhm. Donc je crois que celui qui est au pouvoir euh, ne doit pas considérer tout ce qui a été dit, mhm. n'est-ce pas, pour chercher la vengeance. Non, il est le père, comme on le dit, alors qu'il fasse l'œuvre d'un père envers n'est-ce pas, ses enfants. Il faut la réconciliation donc la réconciliation, le pardon, les fils et filles du Voilà, et aussi Merci à tous les deux, fidèles auditeurs. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou qui a eu pour thème contribution des leaders religieux pour des élections apaisées au Niger. Nous comprenons que les leaders religieux que nous avons invités ce soir pour ce forum sont attachés aux valeurs de paix et de cohésion sociale en cette euh, période d'élection. Vous avez eu donc euh, à les suivre. Ils lancent des appels en faveur euh, de l'organisation d'élections apaisés au Niger, notamment pour ce qui concerne le scrutin du 21 février prochain. Merci pour vos messages de paix, chers invités. Nous étions en compagnie du Cheikh Braham Aboubakar, président du comité de dialogue intra- et interreligieux, c'est dire, et du révérend pasteur Baragé Gelgou. Nous disons merci à tous les deux d'avoir accepté de faire le déplacement pour venir répondre à nos questions. Merci également à vous, chers auditeurs et téléspectateurs des 46 radios et des 6 télévisions partenaires de Studio Kalangu grâce auxquelles vous nous suivez. Au micro, c'était Michel Deji pour la présentation à la technique pour le son Amina Hassan et à la régie vidéo Mustafa Yuba. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et au revoir.